Fidèles auditrices et auditeurs du studio Kalangou, bonjour. Ravi de vous retrouver pour euh, le deuxième numéro de la semaine de notre émission Le Niger sur Kalangou. Nous sommes mardi 13 août 2024. Merci d'être avec nous. Où que vous soyez, vous nous écoutez via nos radios partenaires et en streaming sur le www.studiokalangu.org. Au micro, je suis Ali Moukela et alias Seno et je suis en compagnie de Samira Rouafi. Bonjour Samira. Comment tu vas Seno et ce matin Je vais bien, Dieu merci. Alors qu'avons-nous ce matin eh bien, nous tenons également à adresser d'abord euh, nos chaleureuses, salut, nos, chaleureuses salutations. Aïe, aïe, je vais me blesser. Hein. <laughs> Exactement. à nos collègues qui œuvrent dans l'ombre. À la technique, euh, nous avons euh, Issa, Et à l'édition, nous avons Moussa Hassan. Alors, c'est nous. Oui. J'attends le menu. Alors, aujourd'hui, nous allons servir du lourd à nos fidèles auditeurs. Tout commence par un flash d'information pour vous tenir au courant des événements récents. Ensuite, euh, nous allons euh, vous faire euh, voyager dans les quatre coins du Niger dans un cocktail musical époustouflant mettant à l'honneur la musique nigérienne. La session euh, du loti avec le desk femme du studio Kalangu sera servie, suivie d'analyses sportives par notre chroniqueur du jour, le tout agrémenté par la culture linguistique en Hausa. Toujours dans ce menu nous, dans la rubrique invité du jour, nous recevons M. Soumana Hamassidikou, commissaire à l'organisation de la quatrième édition du Salon des grandes écoles et de l'orientation, la session 2024, avec lui, nos échanges seront axés sur le bilan de cette quatrième édition qui a pris fin le dimanche 11 août. Pour l'écho des régions, nous irons à Tawa, précisément à Masalata, commune de Birninkoni, pour parler d'une initiative salutaire que l'association Kishinkai a mis en place. Nous allons clore cette édition avec les messages vocaux de nos éditeurs. Eh oui, chers auditeurs, installez-vous confortablement. Vous êtes assurés de passer un moment inoubliable en notre compagnie. On débute cette émission avec le flash d'information qui nous est présenté par Mokhtar Hamadou ce matin. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Samira Rouafi, bonjour Ali Moukela Ousseini. Bonjour. Nous débutons ce flash d'information avec la présidence du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani a accordé une audience hier à l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Niger, Paul Tolen, en fin de mission au Niger. Le diplomate hollandais qui dit garder des très bons souvenirs du Niger a été élevé au grade de commandeur dans l'ordre du mérite du Niger par le chef de l'État. Je garde euh, des souvenirs très positifs. Euh, tout d'abord, la résilience euh, du peuple nigérien, mais aussi l'immense hospitalité que j'ai pu ressentir partout où j'ai voyagé dans le pays. Donc, je pars avec des bons souvenirs, déclare le diplomate hollandais. La ministre en charge de l'éducation nationale, Dr Elisabeth Sheriff, a réceptionné hier mardi 12 août au CG Calais Plateau, dans le troisième arrondissement de Niamey, 40 salles de classe construites en matériaux définitifs à l'initiative du président du CNSP, au profit du ministère de l'Éducation nationale. Ces salles de classe accompagnées de forages d'eau ont été construites dans plusieurs établissements scolaires en seulement quelques semaines. En effet, ces classes remplaceront les classes en paillotes et contribueront à changer le visage des écoles et de garantir la sécurité des apprenants. Elles aideront également à améliorer les conditions et la qualité des enseignements apprentissages au sein des établissements bénéficiaires. Début ce mardi au Niger à des épreuves écrites du brevet du technicien supérieur d'État BTS d'État session 2024. Cette année, ils sont au total 4443 candidats répartis dans 14 salles, euh, dans 14 centres dont 10 à Niamey. Pour le bon déroulement de ces examens, toutes les dispositions ont été prises selon le directeur chargé de l'organisation du dit examen. Le respect des consignes des examens ont été également demandés aux candidats. Et c'est tout pour euh, le flash d'information de ce mardi 13 août 2024. Merci bien Mokhtar, à bientôt. Merci beaucoup, très bonne journée. Merci infiniment. Samira l'annonçait en début d'émission, nous recevons comme invité dans cette édition M. Soumana Hamma Sidikou. Il est le commissaire euh, à l'organisation du SAGEO, qui est le salon euh, des grandes écoles euh, et d'orientation. Bonjour, monsieur Soumana Hamma Sidiku. Bonjour, bonjour, monsieur Senon. Merci de nous honorer de votre présence dans cette émission. Avec vous, nous parlerons du bilan du SAGEO 2024. Mais Senon, avant de lui donner la parole, écoutons d'abord ensemble ce morceau intitulé Mandat de conscience de l'artiste Régiman Blackmiller. chers auditeurs, euh, le titre Mandat de conscience de l'artiste Black Muller est une œuvre profondément engagée qui dénonce avec force l'assassinat du général Barré Meynassara, ancien président de la République du Niger. À travers ce morceau, Black Miller utilise le reggae comme vecteur pour exprimer sa révolte contre cette tragédie historique. Sa voix puissante et ses paroles poignantes évoquent non seulement le respect dû aux figures nationales, mais aussi à la nécessité d'une conscience collective pour éviter la répétition de tels actes. Mandat de conscience est ainsi une invitation à la réflexion sur l'héritage politique et la justice au Niger. taillée sur mesure ne pourrait répondre aux aspirations profondes du peuple. Et les auteurs de la Constitution de 1999 en savent quelque chose. Ce sont eux qui nous ont appris les règles élémentaires du droit. Il est grand temps de réviser cette Constitution parce qu'elle comporte, traîne et draine par son essence même l'impunité. Car l'article 141 de la Constitution est un article satanique, diabolique. Moi, je pense à un État démocratique, une Constitution démocratique qui consacre un État de droit. C'est le mandat de ma conscience. Ce texte n'engage que l'auteur, l'artiste Black Mirror. un mandat de conscience de l'artiste Black Miller en espérant que vous avez aimé. À présent, c'est le moment pour nous de retrouver notre invité du jour. Rebonjour, monsieur Soumana Hamasidiko. Bonjour, Samira. Bonjour, euh, rebonjour, M. Euh, monsieur Soumana Sidikou. Donc, pour commencer, quel bilan faites-vous de cette quatrième édition du SAGEO en termes de participation et d'organisation Le bilan est tout à fait positif par rapport aux éditions euh, passées. Je trouve vraiment cette année euh, l'organisation réussie surtout le plan euh, sur le plan de participation sur le plan également de stabilité organisationnelle je trouve vraiment que nous avons un bilan très très très positif hmm. super alors quels étaient les principaux objectifs de cette édition et est-ce qu'ils ont été atteints les objectifs étaient justement d'abord Premièrement, nous avons euh, comme objectif principal de faire participer le maximum d'écoles à ce salon. Et ensuite, c'est de permettre que les nouveaux bacheliers à leur niveau puissent également participer de façon à découvrir les différentes offres de formation hmm. disponibles ici au Niger et ailleurs. Alhamdulillah, ces objectifs sont atteints il y a eu plus de participation qu'il y en avait eh, les éditions passées et nous pouvons euh, alors conclure que euh, pour la quatrième édition, les objectifs sont vraiment atteints. Hmm. Alors, y a-t-il eu des, nouveautés ou des améliorations euh, notables par rapport aux éditions précédentes Effectivement, il y, a eu des nouveautés et par rapport aux éditions passées. Eh, le salon se tenait pendant 48 heures, deux jours. Hmm. Cette année, eh, nous sommes allés à trois jours pour euh, encore satisfaire euh, nos partenaires, notamment les écoles. Et ce, changement ou ce, cet ajout d'un jour supplémentaire nous a permis effectivement de, euh, de découvrir un certain nombre de choses qu'on aurait pu voir depuis les premières éditions. Et ça a permis vraiment à l'organisation de ce quatrième salon de se tenir comme cela se devait. Monsieur Haman, comment les participants, notamment les nouveaux bacheliers, ont-ils réagi aux activités et aux conférences proposées lors du SAGEO euh, Les nouveaux bacheliers, comme d'habitude, ils ont été euh, surpris. Euh, étant nouveaux bacheliers, souvent l'enseignement supérieur étant nouveau pour eux, ils ont eu certes des difficultés à s'adapter aux conférences, aux thèmes choisis pour les conférences, mais ils ont été surtout curieux. C'est cela aussi le nouveau bachelier. Lorsqu'on ne sait pas, c'est vraiment de, de, se donner comme objectif de savoir. Et on ne peut savoir que lorsqu'on pose des questions quand on ne sait pas. Et ils ont été vraiment euh, dans cet état d'esprit. Ils ont euh, dérangé les conférenciers, ils ont dérangé les organisateurs de façon vraiment à euh, s'informer dans la mesure du possible. Et qu'est-ce que ces différents euh, euh, panels ou bien ces conférences pouvaient euh, faire comme qu'est-ce que ça va leur servir à ces nouveaux bacheliers Comment ça va leur servir plutôt Ça va leur servir euh, d'abord à, à, se préparer conséquemment à la vie universitaire et aux études supérieures pour avoir rompu définitivement avec le niveau secondaire, le nouveau système supérieur est un système qui et se veut sérieux et qui exige que euh, en amont le nouveau bachelier se prépare conséquemment. Donc euh, ces conférences ont servi effectivement à éclairer euh, les nouveaux bacheliers et à leur dire voilà ce à quoi vous vous attendez, voilà ce que vous devriez tout le long de votre cursus universitaire avoir. Bon, nous avons l'habitude de voir des étudiants qui se plaignent de, du système LMD, de la maîtrise du système LMD. Est-ce que euh, durant ces activités, est-ce qu'il y a eu euh, une conférence ou un panel spécifiquement sur euh, la maîtrise du système LMD, permettant bien évidemment à ces nouveaux bacheliers de pouvoir cerner comment fonctionne ce système Effectivement, c'est à ce niveau qu'il y a eu euh, des difficultés, comme je le disais tantôt. Euh, les nouveaux bacheliers ont eu du mal à s'adapter justement à ces types de thèmes pour avoir euh, quitté un système un peu plus souple pendant lequel ils ont fait 14 ans d'études. C'est un peu difficile pour eux de, de, de, comprendre souvent les mots, mais serait-ce que les mots utilisés en définissant le système LMD. Mais ils ont été à la hauteur euh, en posant énormément de questions de façon vraiment à se faire euh, éclairer sur euh, ce système. Et on a utilisé les voies et moyens les plus souples, leur permettant justement de comprendre mm. ce que veut dire le système. Mm. Et voilà où le système doit aller. Est-ce que cela ne ferait-il pas peur à certains nouveaux bacheliers qui ont déjà fait peut-être leur choix et qui seront là à se dire j'aurais peut-être dû choisir euh, telle chose au lieu de ça. Vous avez été confronté à ce genre de dilemme Effectivement, on a eu ce genre de difficultés parce que c'est le problème cette année, c'est qu'il y a eu déjà euh, le dépôt au niveau de l'université avant ce salon. Ce qui fait que après avoir déjà fait un dépôt, quand tu reviens euh, pour à un salon où on te propose les offres de formation, c'est un peu difficile vraiment de ne pas euh, se retrouver dans, dans, dans le regret pour mhm. avoir déjà choisi une filière ou un département dans lequel tu n'avais pas d'information. Mhm. Voilà vraiment les difficultés auxquelles on était confrontés par rapport euh, justement à ces choix. Il y, a eu beaucoup de nouveaux bacheliers qui ont, vu des choix qui, qui n'auraient pas dû faire. Et c'est cela l'objectif du Salon des grandes écoles et de l'orientation. C'est peut-être à l'avenir de d'anticiper mhm. juste après les examens, de le faire de façon à ce que avant que, le, que les dépôts ne commencent, mhm. déjà que les nouveaux bacheliers soient au courant. Mhm. Alors, euh, vous avez également organisé une soirée de gala. Euh, qui a marqué la clôture du SAGEO avec la remise de prix aux bacheliers distingués. Euh, pouvez-vous nous parler de, de l'importance de cette initiative et de ce qu'elle représente pour les jeunes euh, récipiendaires Effectivement, cette année, c'est l'ajout dont je parlais. Et la journée supplémentaire ajoutée, c'est effectivement celle de, euh, de la soirée euh, qu'on avait nommée Gala de l'excellence. On a estimé que euh, pour avoir organisé un salon, pour avoir fait participer de nouveaux bacheliers et, et des écoles, tout ce que nous, nous avons à faire en contrepartie à ces nouveaux bacheliers, c'est effectivement de sélectionner les meilleurs de toutes les catégories du bac pour les décerner des trophées. C'était un geste symbolique que nous avions voulu à notre niveau et à nos frères faire de façon à encourager les prochains candidats à, euh, à, fournir plus d'efforts pour être vraiment euh, parmi ces lauréats qui, qui, seront primés parmi tant d'autres. Il y avait 42 euh, catégories de bac. On a juste pris les premiers de chaque catégorie. Parce que c'est difficile, n'étant pas l'État, de récompenser l'ensemble, sinon les cinq premiers comme le fait euh, l'État et à travers le ministère de l'Éducation. Nous, on a juste estimé que puisque c'est une façon d'encourager nos frères, il fallait juste prendre les premiers. Ça, c'est une première. La deuxième édition, peut-être nous allons aller au-delà de, ces premiers. L'objectif, c'est vraiment d'encourager. Mm-hmm. D'encourager au maximum les candidats à aller vers l'excellence aller vraiment euh, à la culture de, de, de, de, cet idéal dont le Niger a besoin. Merci, euh, Monsieur Hama. Nous avons retenu dans cette première partie de nos échanges que euh, vraiment ce salon et c'est vraiment une ouverture pour les nouveaux bacheliers à savoir ce qui les attend pour le nouveau système universitaire et aussi leur permettre de bien s'organiser et de faire leurs choix en conséquence pour ne pas euh, commencer un cursus qui ne pourrait pas peut-être terminer. Avant de poursuivre nos échanges, marquons une petite pause musicale pour écouter la deuxième chanson de notre sélection musicale. C'est parti pour le titre Amaria de l'orchestre Carnaval de Maradi. iye nanaye aiye yari ye nanaye amarya iye nanaye aiye yari ye nanaye amarya iye nanaye zarnar hot duba duba amarya cikin lallanta abokanta na fara'a wai uwayenta na fara'a ga amarya tana tawaye amarya iye nanaye aiye na nanaye iye yari na nanaye amarya iye nanaye amarya ki daina hawaye kukan ki kukan bege kuka a yau murna ne ga amarya tana tawaye amarya iye nanaye aiye yari na nanaye amarya iye nanaye aiye yari na nanaye amarya iye nanaye ango kana ji sosai amaryar ka tayo sako ta ce tana da manomi noma ka noma sannu banda cin iyaka ta makwabta in kashe iye na na yi aiye ariye na na yi amarya iye na na yi aiye ariye na na l'avez promis, on va voyager aujourd'hui. Nous revenons en douceur avec le titre Amaria interprété par l'orchestre carnaval. Ce son capture avec une intensité émotive le moment poignant où la jeune mariée fait ses adieux à ses parents, symbolisant le passage à la nouvelle étape de sa vie. C'est un moment de séparation douloureuse à empreinte de larmes et de tristesse aussi bien pour la jeune mariée que pour ses parents. Et oui, un morceau que personnellement j'ai dédié à notre collègue Omar qui s'est marié récemment. Alors, ce morceau souligne la rupture symbolique avec le foyer euh, parental, marquant à la fois la fin d'une époque euh, et le début d'une nouvelle vie. À travers des mélodies poignantes, Amaria traduit l'émotion de ce rite de passage profondément ancré dans la culture nigérienne. iyaka ta makwabta in kashe iye na na yi, aiye yariye na na ça crée toujours la bonne humeur, euh, comme tout de suite dans ce studio avec nos techniciens. <laughs> C'était le morceau Amaria chanté par l'orchestre Carnaval de Maradi. Retour au studio avec notre invité, le commissaire à l'organisation du SAGEO 2024. Alors, monsieur Soumana, quels ont été euh, les principaux défis rencontrés lors de l'organisation de cette édition et comment ont-ils été surmontés Les défis étaient énormes. Les défis étaient énormes, je vous assure. Euh, on a eu énormément de difficultés. D'abord, j'avais une équipe composée à 90% de jeunes filles. Et, de mariés également, c'était c'était très très difficile. Euh, euh, de s'en sortir, mais quand même elles ont réussi et les filles vraiment à, à, surmonter les épreuves auxquelles on était confrontés. Et je me rappelle euh, de toutes ces fois où on était exposé à la pluie, on était exposé à, toute à toute forme de danger, je vous assure. Euh, mm. Souvent, à des heures tardives, on rentre, c'est difficile. C'était difficile, mais quand même, euh, l'objectif était vraiment d'aller jusqu'au bout et de réussir l'organisation de cette édition. Mm. Alors, dites-nous, euh, quels ont été les rôles des différents partenaires dans la réussite de cet événement Vous venez de parler de votre équipe qui est l'équipe euh, de, l'organisation maintenant, euh, de l'autre côté, euh, quels ont été les rôles des différents partenaires dans la réussite de cet événement Le rôle des, partenaires était d'abord de, collaborer de collaborer de façon à nous permettre vraiment une bonne organisation. Je parle là de, de leur contribution à eux, qu'elle soit en nature ou en espèce. Euh, les premiers partenaires, c'était d'abord les écoles. Les écoles devraient euh, décaisser des sommes qu'on leur avait euh, fixées. Du fait du contexte socio-économique cette année, on a dû faire une remise de 50% sur le prix habituel. Mm. Mais malgré cela, malgré cela, je vous assure jusqu'à preuve de contraire, il y a des écoles qui n'ont pas encore fini de, euh, tenir, leur, engagement. Et ça fait que nous avons encore des passifs après l'organisation mm. du, salon. Mm. Alors, mm-hmm. comment envisagez-vous l'évolution du SAGEO pour euh, les prochaines éditions suite à tout ce qui s'est passé de la première, deuxième, troisième et quatrième édition Je pense que l'expérience est déjà acquise. Après quatre euh, bonnes organisations, il y a toujours, c'est vrai, des manquements, il y a toujours des avancées. Mais l'objectif, c'est vraiment de, de mettre à profit cette expérience, ce parcours euh, aussi euh, périlleux, euh, de mettre à profit les expériences et de façon à vraiment faire une projection dans l'avenir, à trouver la formule qui fasse faire maintenant une organisation encore meilleure que celle des années passées. Donc on peut se dire que de nouveaux projets sont en cours euh, dans le but d'améliorer Effectivement, chaque année, il y a des projets, il y a des projets qui sont en cours. Nous allons annexer également à, à tout ce qui à tout ce que nous avons fait déjà par le passé nous avons annexé à ces à ces projets un nouveau projet également euh, qui va permettre maintenant de redonner un nouveau visage au salon chaque année c'est comme ça de la première édition à la quatrième édition à chaque fois que vous participez vous voyez quelque chose que vous n'avez pas vu à l'édition précédente. Et c'est ça l'objectif du, salon. Nous partons chaque année vraiment vers des nouveautés. Nous avons des initiatives. Et souvent, c'est en cours de chemin que les idées viennent et on applique et on se retrouve vraiment avec euh, une organisation souhaitée. Vous l'avez si bien dit tout à l'heure que vous avez eu à travailler avec des partenaires, notamment les exposants et des conférenciers. Est-ce que, quels sont les retours que vous avez reçus euh, de la part de ces exposants et de ces conférenciers Nous avons eu euh, un sentiment euh, de mission accomplie. Et beaucoup d'écoles, depuis la journée de, de, clôture nous ont appelés pour nous dire que vraiment ils ont été émerveillés, ils ont, ils ont été euh, surpris d'ailleurs par euh, l'organisation extraordinaire de euh, cette quatrième édition, surtout les écoles qui, qui n'avaient pas entièrement tenu leur engagement. Et ils, ils se sont sentis gênés de ne pas être à la hauteur de, de leur engagement et malgré cela, ils ont vu que nous avons ont pu, en tout cas dans la mesure du possible, organiser le salon de façon vraiment à les satisfaire eux, parce que c'est eux qui sont euh, nos premiers partenaires, c'est à eux que nous devons beaucoup de choses et ils ont en grande partie été satisfaits et nous comptons également euh, faire un retour euh, vers ces écoles-là pour aller demander leur avis par rapport à l'organisation de la quatrième édition, de nous donner des avis quant aux euh, à l'organisation du salon, de façon à nous encourager, de façon également à nous permettre de tirer profit de nos erreurs et d'améliorer la prochaine édition. Super. Alors pour finir, quel message aimeriez-vous adresser aux nouveaux bacheliers qui se sont distingués cette année et à tous ceux qui envisagent de poursuivre leurs études supérieures euh, Les nouveaux bacheliers qui sont primés, je voudrais euh, leur dire, je les ai dit déjà avant-hier que ils sont, ils sont l'espoir de ce pays. Et pour avoir été les meilleurs parmi et, tant de bacheliers, pour avoir été la crème de la crème, comme on le dit, je leur ai encouragé, je les ai dit à, persévérer, à, à rester vraiment constant et dynamique les études supérieures ne sont pas aussi difficiles que, que, les gens aiment le dire. Lorsque vous avez un objectif, il faut fournir le maximum d'efforts, mobiliser les ressources nécessaires pour atteindre cet objectif-là. Je les ai donné assez de conseils et je les ai dit que qu'ils sachent que demain, c'est eux qui vont diriger ce pays. Merci euh, infiniment, M. Soumana Hamma Sidikou, d'avoir non seulement répondu présent à notre invitation, mais également d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci, merci Seno, merci Samira pour l'honneur que vous faites au salon, pour l'honneur que vous faites à l'agence même Harmonie. Euh, ma présence ici, je vous assure, c'est, je, me retrouve en fait. Je, suis très heureux de passer ce beau moment avec vous. Merci. Ah, je vous plaisir, merci <laughs> infiniment. on fait une petite pause et on revient juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. C'est le moment pour nous d'attaquer notre rubrique hebdo et nous sommes mardi. Nous allons parler de santé, n'est-ce pas, c'est nous Oui, Samira, et la rubrique santé d'aujourd'hui nous parle d'un don de sang à Matamé. Le don de sang est un acte de solidarité et de générosité, mais aussi un geste crucial pour l'ensemble du système de santé. Aujourd'hui, nous vous amenons au cœur de cette démarche essentielle afin de comprendre son importance pour l'hôpital et pour la communauté. Écoutons ce reportage de Habou Kisali. kamar yadda a jadawalin tsarin aikace-aikacensu na shekara wato kungiyar nan mai suna movement national pour la sauvegarde de la patrie inci ta gundumar kance ta tsara gagarumin aiki na ba da jini a nan babbar likita ta mata mai. Wannan husa'ar kwa an yi ta ne domin tsirar da rayuka musamman a wannan lokacin wanda ake fama da masassarar cizon sabro. Abdulkadir Shaya shugaba ne na ita wannan kungiya ya gaya mana wato dalilan da suka kai su ga ba da wannan jini. Makasudin wannan gayyatar mutane da muka yi na bada jini yanzu in kun ɗauka kamar lokaci ne na damana kamar lokaci ne wanda ake samun mutane suna samun karancin jini duk dai mun samu posh ta kai hamsin ina tsammanin wanda mutane suka zo suka bada kuma yanzu ma mutane suna suna tsawa alhamdulillah an gayyaci mutane mutane sun karba saboda nan likita ce gidan kowa ce yau in wani ne anan to gobe kai ne mai alhamdulillah al'umma sun ka goyon bayan su daga nashi bangare shugaban ita likitar ta mata mai ko mu ce district sanitaire dr garba ciwake a hirar da ya yi da mu ya kwatanta mana lalle cewa wannan taimakon da aka yi ya zo a lokacin da ake bukatar jinin ya kuma yi amfani da wannan dama domin karyatar da jita-jitar da take cewa ana sai da jini a likita. Wallahi farin cikin ba kaɗan ba ne gaskiya sun yi ƙoƙari lokaci ne da ake buƙata abin kuma suka kawo shi. Ka san ko irin wannan gudunmuwa ta daɗi lokacin da kake buƙata abin kuma a baka shi. Kenan kaga bankin mu ƙara girma yake jini dai ba inda ake sai da jini sannan zancen ana ba da wani jika biyar mu dai ba mu da wannan sanarwa tunda dai mu dai duk wanda ke zuwa ya ba da jini nan ban ba kowa da laguda kuma in zan mu samu marasa lahiya ba mu ce a bamu ko dala ko salaka ɗaukar jini ba a saida amma zance ana ba da wani jikka biyar sai dai ban sani ba ko ko watakila <laughs> magana ce ba a gane ba da kyau akwai lokacin da watakila ba jini a ce ka kawo wani dan wanka ya ba da jini to watakila akwai mutanen da aikin su kenan tsakanin su shine ka je ka ga mutumin ka ba shi wani abu dan ya zo ya ba da jini watakila wannan zancen ne ake amma shi ma mu dai bamu sani ba ba gani ba C'était là la rubrique hebdo proposée par Abou Serki Saleh. Maintenant, nous prenons encore une petite pause musicale avec cette chanson, la d'Ifatou, de l'artiste El Radik. Voyageons ensemble. Je soyez avec que tout ça on que tu m'as fait pour moi. oui, euh, le titre euh, La Difatou de l'artiste rappeur nigérien El euh, Radik qui réside actuellement de l'autre côté du Canada aborde une problématique sensible et universelle, les obstacles que peuvent rencontrer deux personnes qui s'aiment en raison des différences religieuses. À travers ses paroles, El Radik exprime l'incompréhension et la douleur face à un amour sincère qui se voit entravé par des considérations religieuses qui, selon lui, ne devrait pas dicter le destin de deux cœurs unis. Il dénonce ainsi les barrières sociales, sociales qui limitent l'expression de l'amour appelant à une réflexion sur la véritable essence de ce sentiment au-delà des différences culturelles ou religieuses. C'était le titre à Fatou, c'est nos places à l'écho des régions. Oui, Samira, le reportage en région de ce jour nous amène dans la région de Tawa, précisément à Massalata, pour brosser sur euh, une initiative noble de l'association Kinshinkai. Créée il y a six ans, l'association Kishinkai est une initiative de la population de Masalata située dans la commune de Birninkoni, région de Tawa. Son objectif principal est d'assister la communauté dans ses préoccupations. Et oui, grâce à ses efforts, l'association a pu acquérir une ambulance pour le centre de santé intégré CSI, ainsi euh, qu'un véhicule Ulux pour le transport des défunts et d'autres besoins. Pour en savoir plus, écoutons les explications de Yakubu J. gigi le président de l'association au micro Dasumana Musa Arzika. Abubuwan da yasa aka kawo ga kungiya saboda mu gari ne na masalata muna da matsaloli da akwai abin da kuka bukata kuna son iko ya zabura shi muku bai yi muku ba. To in kuna da naku na kanku sai kuɗi ba cikin abin ku tai ku yi kenan ba sai ko da iko ka taimako a taimaka muku na za ku da ma kuna da abin ku ya ne kun kai kun ka kafa wannan kungiya to yadda muka kafa wannan kungiya jagorori gare mu kasashen waje masu zaman bida wuri wuri to yaran nan da a can wurin bida duk lokacin da aka ce wani dan masalata matar shi ta aihu to taruwa aka duk inda kake ko ne gari haka kiran ka aka ka taro wurin to wurin wannan taro ne sai suka ce to yanzu ya kamata su 'yan bida ba da azama gari ba da a wurin bida to su yi kokari ai farmen group ya an kai farmen group aka rubuta mai masalata kishin kai to duk wata akwai ɗan biɗa abin da suke zuba cikin watan ƙwaryatar bace to a haka sun kai wannan farmis sai sun ka halbunan gida suka ce ga abin da suka kirkira suka zo suka gaya mai gari mai gari ya ce to ɗari bisa ɗari ya goyi bayan wannan ƙungiya daɗa aka ta to ƙungiyar ubangiji Allah sai ya shiga ciki albarkaci abin da dami wannan ƙungiyar ta yi cikin wannan gari na masallata na cigaban al'umma. To na farko dai kungiya wannan ta shin kai na cikin garin masallata ita ta fara sai ma likitan masallata a ambulance mota ta ɗauka marasa lahiya ko kuma ta zo a ɗauko magani wani wannan kungiya ita ta fara sai. Ta sai wannan mota kuma da ba sai ta koma sayan wata mota helix wadda ya zamanta yan an karasu cikin gari dun na nura ko kwanne an karasu ko ina an karasu wannan mota ita ka zuwa ta ɗauki ka ta kai ta makabarta kai mai rasuwa ko dala ba ta ciwon kai naka bayan wannan kuma ana nan kuma makabarta da an ka ɗiba masalata wannan kungiya har yanzu ta yi yunkura ta sai giriyaji ta sai karhuwa aka zo aka walda aka sudiya aka sai similta da tsakkuwa aka zo aka kewaye makabartan nan aka kewaye ta aka mata aka ruha mata asiri aka yi mata koha guda biyu ke saboda maganin dabbobi su bar biya suna ratsa suna shiga suna takin kaburan mutane suna zundumewa kuma wannan kungiyar har yau ba ta bar likita haka sake ba duk abubuwan da likita tashi bukata yan an ka faɗa musu kuma suna yunkuri su kawo nasu ci gaba yanzu motocin da annan ba gwamnati ka kula da motocin ba ƙungiya ita kula da lahiyar motocin duk abin da ya samu motocin ita ƙungiya ita kula da shi ita a ɗauke da nauyin motocin ta kai kamar shekara nawa da aka kafa ta muna da shekara shida da kafa wannan ƙungiya to ni a fatan ku ga sauran al'umma muna fata da wannan yanki na gunduma kwanni ba ma kwanni da kai duk Nijar inda kauye take mai jira a agaza mata indai akwai mabada masu kishin garin su to da ai jira a baku ƙara kusan kwarai tarbacin da kuka aza kukan kanku agaza lokacin nan gwamnati duk abin da zai taimaka muku ya hijin ƙarfin ya taimaka muku kina shi gwamnati hijin daɗin duk abin da zai taimaka ma ya san akwai naka ruwa kina ko an yi ma abin da ka harka shir daraja saboda ka san zahi ne akwai wani cikas wanda kuke fuskanta a cikin kungiyar a gwargwadon hali dai ba mu samun wani cikas tunda yan kurakuran da aka samu na kasan dan kaɗan ne saboda yaren zamani wasu can wurin amsa kuɗin nan ko an ce su ba su wani kasan yawan kawo tana ɓata zamantakewa ko tsakanin mata da miji balle namiji da namiji ko da yaushe mutum shi na zama da wani biya iske ka cikin holare wani biya iske ka cikin cikin ba a daidai ba eh to wannan yan kurakuran da su ɗaya muka samu eh buƙatar wata ƙungiya domin ta kama muku don ƙarfafa gidauniyar da ƙungiyar muna kira duk ƙungiyar da ta samu labari mu muna kira da ita a sa mana hannu a ƙara taimaka mana a ƙara ƙarfafa mana kuma akwai wani tun da ita kungiya abu ne na ma'ilamta duk ilimin ka ka haso a ƙara ma da na wani abin ya haƙa ya ci gaba Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Samira, attaquons la passeport. Oui, et euh, notre chroniqueur sportif est déjà là, Guruza Hassoumi. Bonjour Guruza. Bonjour Seno, bonjour Mira. Bonjour. Nous débutons cette page sportive, euh, Guruza par euh, la finale du TGV de la ville de Tanout. Oui Seno, c'est un tournoi qui a été organisé par le conseil communal des jeunes de Tanout. Et en finale, c'est le FC Gonki qui a battu l'équipe de l'AS Police de Tanout sur le score d'un but à zéro. Suivant les précisions de notre correspondant sur place, Mansour Alassane. Ce dimanche 11 août 2024 s'est déroulée la grande finale du tournoi des grandes vacances TGB de la ville de dénommé dénommée cette année groupe de souveraineté. La finale a opposé la S-Police et Gonki. Après une longue bataille, c'est Gonki qui a imposé sur un score de 1 but à 0. FC Gonki, les vainqueurs de l'année passée, ont défendu cette fois-ci leur trophée. mun yi murna da wannan cin kofi da muka yi muna godiya da kowa da kowa duk wanda ya zo gaskiya da muka kalla gwanki tana yi gaba da baya yan gwanki sun ba da citta kuma sun yi wasa iya wasa ba hayaniya wasa ya yi kawai wanda suka yi balo wanda suka ci ina musu barka sun sarama kuma da muka abin nan hallo sai bon du courage on va se haka ne eh wasa haka ne dama un jurci ga gagnes jurci voilà c'était là le correspondant de Mansour Alassane Retour à Niamey pour encore parler des tournois des grandes vacances de football, Kourouza. Oui, Samira, commençons d'abord avec le TGV de Bukoti qui a démarré le week-end dernier et c'est la 26e édition qui regroupe plusieurs quartiers de la capitale. 16 équipes participent à ce tournoi dans l'objectif consolider les liens sociaux, la cohésion euh, sociale au sein de la population tout en offrant aux jeunes footballeurs l'opportunité de dévoiler leur talent. Outre le TGV de Bukoti, évoquant le TGV de Sonoussi, euh, qui est à sa sixième édition. Ce tournoi a démarré également depuis le 4 août dernier et 20 équipes en lice pour le trophée, dont Flamingo, SCG 25 et AS Francophonie. Alors Gourouza, les Jeux Olympiques Paris 2024 ont pris fin euh, ce dimanche, euh, le dimanche dernier, et les pays africains ont récolté 38 médailles. Oui, 12 pays africains ont participé à ces Jeux, dont le Niger. Au terme des médailles, sur les 12 pays, je m'en vais vous donner les 5 nations qui ont vraiment émergé. D'abord le Kenya, 11 médailles en athlétisme, dont 4 en or. L'Afrique du Sud vient avec six médailles, dont un en or. L'Éthiopie, quatre médailles, dont un, en or. L'Égypte, trois médailles, dont un en or. Et l'Algérie, trois médailles, dont un en or. Cette fois-ci, le Niger n'a pas pu décrocher une médaille, mais, mais, mais, mais ça ira. Hein? Merci beaucoup pour le soir. Merci beaucoup, euh, À très bientôt. Merci. C'est Allons pour le portrait du jour. Oui, le portrait d'aujourd'hui nous amène au bord du fleuve Niger. Là-bas se trouve euh, l'atelier des Jibo Munkela, un piroguier. Il fabrique, euh, répare et conduit des pirogues. Notre reporter Omar Hama nous dresse son portrait. a awone goydogo kango ke soga goga gurfa tonga da pontiyon yari zibo mu kayle kan ne sebu ga kokaro kulte ga duga ga sandi wone mo amanti kala hino kigetede bundukira sebu goyo wo tubuno ga hayreyga anir famandi mate kan anago yowo sentinda aywo ayman jinga sintinda kal kanceno jinga sintinda kanca bandai iber ka ambaliya kara ambaliya bandu son ne wada hibiyar gama sin hundi o ni sintin kason jiri waran zakin diku me watin gidi ba bai wa hibiyar no kan se kegete wodi ni ga dengandin da zari ka ga to hiyodin dumo ben hiyodin mo yek ka wato kan ai ni hiyoyi dai izen ai mo ai ka sintin ka goiden dengiga Bakan sende sijan zibo mun kaila agoga tama gadu gine tijiyon kanganan wani izaira amdu borkan na tubu yon fonda wora. wala igo sanda ke go dia de kati masino kan shi shekan gi ga goyiga. Da da man tuwo din wai shi di sande kur zamai go goyi ai go gudu wona wakan gi windo jere. Eto albora suba si den na goyona ni gonda ni zankera won kangan tubu. ai gonda ifo de ne be go ke aghin kahika aman toy ono kabori amma agode fondara hi yon banda zibo ga hi-hense hanse sumaila kala sokole bor go isa kan be ga hense ado ane kan nga ma yo kani wallal bora no ayo hi ka hense se bombo isinda me ane hi carful aye ka hense hense mo no donc angal bora imta se se de ngo an ngitele sirga antidanga danga hal ine ine no woler fo mo kan sa go ne ga bab ir ga bamu go ka te se kulay man be kana mante i karyonga go no wallahi er koma ana wonal barka inde da islam heri karimu wo fandara zibo mun kaila ana kware kango isa kesowo windigumo irkoyde go yowo wodi mona go ginga wona almayalo yarinda Voilà, chers auditeurs, c'était là le portrait euh, signé Omar Hamma. Bouclons notre sélection musicale d'aujourd'hui avec euh, ce titre Démocratie du groupe de rap, je dirais l'ancien groupe de rap parce que ce groupe n'existe plus maintenant. Il s'agit du groupe dit démocrate. de, 10 démocrates que nous passons au loti du jour qui traite des cadeaux que les femmes offrent lors des cérémonies sociales, mariage ou baptême. Oui, ces cadeaux euh, peuvent être en nature ou en espèce, mais pour certaines, c'est un placement dont elles attendent un retour. Écoutons Fante Chamsou et Samira Rouafi sur la question. hey ko ba kowa ne yau kai akwai mutum walla amma alaikum salam makwabciya kina lahiya ya iyalinki alhamdulillah makwabciya ta wai me ya same ki ne naga kamar akwai abin da ke damun ki hmm, ke dai bari ina cikin wani dogon lissahi bukiyan nan tawa zainabu ita ce ta aihu jiya kai madalla wannan ai abin alheri ne to ne kuma na damuwa a ciki ko wata matsala ta samu a'a wallah bata samu matsalar komi ba kina tune sanda ni na aihun nan na samu ɗana mm. wallahi ta kawo mini kyautar jikka goma kuma har da kwalin sabuli to ni kuma yanzu ke gani ba ne da ko dala ban san ko ina iya maida mata abin da ta kami mini ba mm. mu mata matsala to wannan shine abin na damuwa kuma wallahi ke dai babbar gora ta ce babbar aminiya ce ai abun da kumya haba yanzu a ce ta kame ni wani abu ni kuma ban kai mata komi ba to ai naga abun ba bashi bane kyauta ce ta ganin dama na tanyanki murna lokacin da kika haihu menene kuma na damuwa a ciki hmm. ai kamar baki san matan yau ba in suka kawo miki dala biyar suna jiran ki ka musu jika haba da Allah bari komi suna jiran su ga an ka musu wanda yahi wanda su suka kawo maka ke kwantar da hankalinki ki shirya tsab ki ta wurin bikinki abin da Allah ya hore miki shi zaki bata ko ba haka ba wallahi gaskiya ni tsogo nake ji duk mutanen anguwa su raina ni su yi ta nuna ni su ce ga ni nan ban maka mata wani abun a zo a gani ba haba wallahi gaskiya kuma kin gani wa da garin ya zamanto sai a hankali ke ni ba ciki da wannan kayan shirman a gani na ko baki bata komi ba ai ba wani tashin hankali bane ne kuma na tabbata ba ke kaɗai bace ba ina ma kyauta ta taba zama bashi wanda sai an biya ka da muka makamantin shi ko hiya da shi Hmm. Wannan ke kika san da haka. To, tun da dai kina ta magana, zan shirya dai in ta haka nan. Haka ne ma ai, kyauta da ake kaiwa wajen biki ai kawai yi wa kai ne. Taimakon juna ne da gudunmuwa tsakanin mata, ke har ma da maza wani bi. Kenan ban ga abin ta da hankali a nan ba, na mimawai. Hmm. Na dai gode makwabciya da kika dan kwantar da min da hankali. Zan je in shirya maza maza ka in ta in rasa dan shinkawatan da ake yi ta midi. <laughs> to ko kewa. Ungwani ma ga bakar leda ta kaɗa cikin tsak in kin ki zubo min rabona. Aha, kina son ke na ga mini daman ba wani abun a zo a gani zan kai ba kuma in yi kwashe-kwashe. Ba shi komi to ni ko dan lemun ma ki kawo mini. <laughs> mun dawo a cikin ɗakin maganar mu muna tare da malamin ada da ya gabatar muna eh, culture linguistic in yau da zamu yi ga harshen Hausa wato modulation in da yi shine saison de pluie wato damana ina kwana ada eh, barka samira seno barka da warhaka eh, muna cikin watan augusta ko watan ut eh, a faransanci wato lokaci ne musamman ma na damuna da ake samun ruwan sama kamar da bakin kwarya a wasu yankuna hakika ruwan sama suna taimakawa wajen ci gaban rayuwa domin ana samun ruwa kuma a lokacin nan ne mutane suke noma to sai dai ruwan sama an kai su da yawa a wanga lokaci suna kasancewa tattare da illoli kamar ambaliya kamar rasa rayuka kamar rasa wato eh, asara a tattalin arziki da kuma gidaje da suke ruguziya da gonaki da eh, ruga da suke cika da ruwa duka waɗannan illoli ne amma kuma duk da haka ruwan sama ana bukata su saboda suke sa a samu cimaka a samu abinci a cikin ƙasa. Mun gode sosai Ada. C'est Anjuma Tchenako. Merci, <laughs> à bientôt. Chers auditeurs, euh, merci encore de l'intérêt que vous portez à cette émission. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages vocaux. Écoutons quelques-uns. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. sunana rabi'u musa mai wankin hula na tsohon kasuwan mai shirye-shiryen cibiyar kalangu ina ina sauraron su kwarai shirye-shiryen nasu masu kyau saboda ba can inda suke shi hannunan duk muna sauraron shi abin da aka yi kamar cikin kasan ma ko mai aka yi shi amma nan muna sauraron shi cibiyar kalangu allah sa albarka shirin dai wannan na ranar nan muna yana ƙata tun da muna cikin muna sauraron shi shirin cibiyar kalangu yadda kasan bbc ko abin da amurka suna ba labari su ma haka suke ba da labari sunana amina salifu a nan garin mayayi haka shirye-shiryen su gaskiya akwai ma'ana tunda akwai husa'a suna ba da kuma a dora ne zaman banza kuma abin da suke da mai daɗi ne mai kyau ne kuma kowa ka ɗauka darasi ne na kirki ga kuma magana sana'a ga magana abin aikin hannu kuma haraka ta noma dai duka su ma dai ba su bar shi baya ba mu kuma shine muke yi muna sauran su dan dai mu kayatu kuma muna ma yaran mu rigakafi su bi wannan hanyoyi na malam alalati yi fentir ne da sinatar kuma an kadira na ar plastic e eh, gaskiya na shirye-shirye na studio kalangu suna birge ni sosai wallahi talla kuma suna ka'itarwa kaga na farko dai muna sanin kamar irin adadin wuraren da take aiki da al'umman da ke sauraranta kuma bayan wannan irin kokarin take na zakulo masu sana'a na masana'antoci daban-daban na cikin karkara wannan abu shi ke birgin abin da ya ma so samu na kai shine kamar yadda suke zakulo artist a san shi a san shi inda yake a san shi cikin karkara shi kuma a san sana'ar da yake wannan abin shi ke birgin ga studio kalangu sunana dai aisha eh ina sauraron cizo kalangu to tsare-tsaren su dai gaskiya masha Allah gaskiya yana kayatar da kowa maza da mata duka yana kayatar da su mu ci gaba ne gare mu da mu da yaran gaskiya tsarin sai na ta daidai bisa kan zaman banzan nan da suke yaƙi da shi gaskiya mu ma ba mu san shi ba maza ba mata ma ba su san zaman banza yanzu balle maza da abin da za ka dai ka tashi tsaye ga kanka dai ka jira sai an yi muka a gaskiya suna waye mu kawo nan mu kuma gaskiya masha Allah ka ci gaba ma duk yana sabkowa ni ne Abdul Bukari wanda ke cewa kara nan garin mai ni masauraran shirye-shiryen radio Anuri ne wanda na shi saurare babu kama radio kalangu wannan suka yi bakin karfe biyar na marice to gaskiya wannan shirye da suke yana birge ni kwarai da gaske saboda komi nake yi suna zo na saurari wannan abun da suke na karfe biyar in ma bin saurari na karfe biyar na faranshi sai in tarba can karfe biyar da minti arba'in da biyar sai in saurari na hausa saboda gaskiya ina karba kwarai da su Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie d'Ali Monkela Ousseini et de moi-même Samira Wafi. En tout cas, c'était un immense plaisir de partager une heure avec vous pour de l'information, du divertissement et surtout rester câblé pour suivre nos éditions à partir de 17h à 19h, Inch'Allah. Oui, à la technique, euh, c'était tout simplement Issa Lawali et à l'édition c'était tout simplement Moussa Hassan. Merci, bye bye.